mesdames et messieurs, il n'est plus à présenter le, le de Psycho. Comment tu vas, mon frère Loco, one love, mon frère, je suis. Psycho, je vais bien, mon gars. Psycho, Loco. Je suis content d'être là avec toi. Mais c'est moi qui suis content. <laughs> Psycho. Oui, mon frère. Moi, je te connais très bien, mhm. mais les jeunes qui kiffent cette émission, ils ont aussi envie de te découvrir sur cette émission. Qui se cache derrière Psycho Loco Qui se cache derrière Psycho Loco D'abord, le, psychopathe de Massacre en le premier groupe de rap au Niger. Massacre le premier groupe de rap au Niger. Notez bien cela quelque part. Ok. Et derrière Psycho se cache un père de famille. Ok. Et derrière Psycho se cache un leader, un, grand frère, un petit frère. Euh, voilà quoi, un, membre imminent de ce mouvement hip-hop. On va à l'état civil. À l'état civil, comment est-ce qu'on appelle l'artiste L'artiste s'appelle Claude Maria Debola Panou. Ok, il est né en quelle année ou bien on laisse ça Ah, il est né il y a longtemps. Hein. si je dis ça ici, ça va faire peur aux gens. Ok. Aucun Bon, l'artiste a 44 ans. Mais tu as l'air d'avoir 24 ans. <laughs> Psycho Loco, on va parler de tes débuts. De comment est-ce que le rap a commencé à débuter en toi Pour moi, le rap a commencé avec d'abord le breakdance. Je me rappelle quand j'avais 5, 6, 7 ans, je crois, mhm. il y a mon oncle qui m'avait emmené voir un film qui s'appelait à l'époque, je crois que ça s'appelait Dance. Ah, mais c'était tu en quelle année ah, on était au niveau des années 86. 86. 86, voilà, 86. Donc, effectivement, j'avais l'âge que je viens de donner, mais 86, 87 environ. Mhm. Il y a mon oncle qui m'a envoyé, qui, m'a emmené voir ce film-là. Et tout le long du film, j'ai vu des gars qui étaient en train de ah, Donc je suis rentré à la maison, j'ai j'étais tout petit, je suis rentré à la maison. Bon, déjà que moi je viens d'une famille là où la musique c'est vraiment un truc, mon père, mhm. c'était un gars qui écoute tout genre de musique. Depuis que je suis petit, on écoute du Bob, on écoute du fella, on écoute tout à la maison, quoi, tu vois. Mhm. Donc la musique c'était vraiment en moi, quoi. Alors quand j'ai eu ce déclic après ce film là, mhm. ça a commencé à breakdancer, le mouvement breakdance a commencé à prendre une ampleur. Je, vous dis par exemple que j'ai fait, fait la première partie de Ziké et de Nayan Kabel, à l'époque je crois que c'était en on un comme ça. Quoi. Et Ziké, même mal. Tu commencé par la danse hein Donc Massacre, c'était quoi C'est de la danse ou Non, Massacre, c'était pas de la danse. Donc ça a commencé par la danse. Après ce mouvement de danse qui a grandi et avec l'arrivée aussi du hip-hop, euh, des premiers rappeurs, parce que nous à l'époque, mais je me rappelle qu'à l'époque on écoutait MC Hammer, on écoutait, euh, tu vois, Public Enemy, on écoutait euh, Randy MC, tous les premiers rappeurs, c'est eux qui nous ont donné envie, envie d'essayer de rapper. Le déclic est vraiment arrivé quand on a entendu du rap français pour la première fois. ok, c'était ça le déclic ah, même en question. Parce que quand tu me parles du rap en toi, c'est que tu me parles du rap en question. Oh. Vous avez commencé la chose ici. Super. Alors donc nous On avait des grands frères déjà qui faisaient du breakdance, qui faisaient du funk, ouais, à l'époque du funk. Les euh, Lawans, euh, les Bakou, les Ayuba, qui dansaient déjà. Ouais, <laughs> qui dansaient, voilà. C'est ça. Et le rap a commencé à partir de quelle année Le rap a commencé au Niger à partir de 1991-92. 91 Là vraiment que le mouvement. C'était donc avant le premier album, avant la Calcanée déjà. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Respect à la Calcanée, à tous les gars, parce que euh, Jaff, c'est un, bon frère à moi. Bien sûr. On a, on, a bossé, on a des projets ensemble aussi. Jaff, c'est vraiment un bon gars, quoi. Mais oui, mais nous, on était eux, quoi. On était là avant eux, on était, on était les premiers, on était là avant Todd One. est arrivé après. Ouais. On est arrivé après, nous. Todd bien sûr. Alors, et vous avez constitué le groupe euh, et Massacreur, c'était euh, en quelle année Massacreur vous avez fondé le groupe Je dirais que Massacreur a été créé peut-être aux environs de 1992-93. 92-93. le premier son a été enregistré en quelle année euh, Le premier son a été enregistré quand Matt a ouvert R&M. E parce que c'est là qu'il y a eu la possibilité d'avoir un endroit là où on pouvait aller et mettre oui, cassette. il y micro, mettre et une euh, cassette et, faire le truc. C'était comme ça. Mais là, il y a un instant qui est solennel. Tu as une minute de temps d'antenne pour t'exprimer. Mesdames et messieurs, l'artiste Saiko Loco s'exprime. Et... bam. Big, big up à toi, le Green Show. Ça, c'est la, la punchline des Green Show que je viens de voler. là. Mais alors, moi, je euh, ce à quoi je pense sincèrement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un jour, déjà, que ce hip-hop chez nous arrive à être exporté. Beaucoup de gens pensent localement, c'est vrai, il faut vendre localement, il faut se faire connaître localement d'abord. Ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse exporter notre hip-hop euh, Avec la création de certains réseaux sociaux en ce moment qui sont en cours, avec euh, la, réunification que je peux, que je peux dire que Fred a, a mise en marche déjà avec ce week-end-là qui s'est passé récemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le rap redevienne comme avant, pour que les salles se remplissent de plus en plus comme avant, et que pour que qu'on puisse encadrer aussi ces jeunes rappeurs, qu'on puisse réparer leurs erreurs, parce que nous on a déjà peut-être fait ces erreurs-là. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour que ce mouvement arrive loin Voilà ce que moi j'ai sur le cœur. Vraiment, c'est pour cette nation, c'est pour ce Niger, ce 2 de 7 pour ce mouvement hip-hop de Niamey jusqu'à Difa, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'améliorer et revenir là où on était à l'avant. Parce qu'on était à un niveau vraiment élevé dans le rap. Je sais pas si vous, la jeunesse, vous le savez, mais à l'époque, même Abidjan, euh, euh, Lomé, Cotonou, Ouaga, personne ne pouvait venir nous clasher si on les chicotait tous, mon gars. À part Dakar, peut-être, qui pouvait peut-être. Voilà, c'est juste pour vous donner une référence par rapport au rap nigérien. Il y a eu un gros vide quand on est parti. C'est vrai, quand les leaders sont partis. On Mais peut tout faire revenir, on peut tout faire Never give up. Tes frères l'ont dit, l'esprit ne meurt jamais. Nous sommes de cœur avec vous, si possible, un de ces jours, la musique va véritablement nourrir son homme au Niger. Eh, C'était Saiko Loco en cette première partie.